sommes lundi 25 septembre, fidèles auditeurs et auditrices. Euh, bonjour et bienvenue dans le premier numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou de la semaine. Vous nous écoutez à travers nos radio partenaires dans toutes les huit régions du Niger une émission co-animée par moi Salamatou Kadri et Mariam Adey. La technique est assurée par Amina Hassan, Adama Dawaki et à l'édition. Mariam, bonjour, comment tu vas Ça va bien Salamatou et toi Dieu merci. Qu'avons-nous au menu ce matin pour nos auditeurs sur le Niger Circalangou d'aujourd'hui, Salamotu, il y aura un flash d'informations du loti avec les femmes du studio Kalangou, du sport, de la culture linguistique pour la rubrique Hebdo des régions. Nous irons à Gadez et nous terminerons avec les messages de nos auditeurs. Nous suivrons un retient sur la prise en charge des personnes âgées en maladie. Chers auditeurs, nous vous invitons à suivre notre flash info avec Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour euh, Mariama Ade. bonjour euh, Salamatou Kadri. Le flash d'information à présent. Le président français Emmanuel Macron a annoncé le retour dans les prochaines heures de l'ambassadeur français à Niamey et le retrait des troupes françaises du Niger d'ici la fin de l'année. L'annonce a été faite dans un entretien hier dimanche 24 septembre diffusé sur des chaînes françaises. Pour rappel, euh, les autorités, euh, les nouvelles autorités nigériennes ont dénoncé euh, début août les accords de coopération en matière de défense et de sécurité avec la France avant d'expulser par la suite l'ambassadeur Sylvain Ité du pays. Paris s'est jusque-là montré inflexible en mettant en avant qu'elle ne reconnaît pas la légitimité des nouvelles autorités qui ont renversé le régime de Bazoum Mohamed le 26 juillet passé. Dans un communiqué publié hier dimanche 24 septembre, les autorités nigériennes ont annoncé l'interdiction du survol de l'espace aérien national aux avions français ainsi que ceux affrétés par la France dont la flotte d'Air France. Selon les autorités nigériennes, un communiqué en ce sens a déjà été transmis par le billet de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC depuis samedi à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar à Sekna. Le bilan des inondations causées par les dernières pluies remonte à 50 morts, dont 22 par effondrement et 28 par noyade, rapporte un bulletin de la Direction générale de la protection civile le 21 septembre 2023. Selon euh, ce bulletin, les intempéries ont également fait à cette date 154 euh, 310 sinistrés répartis dans 18 377 ménages. La Direction générale de la protection civile a également répertorié 3 301 bétails morts, 3,9 tonnes de vivres disparus dans les eaux et 61 salles de classe et deux cases de santé sont tombées. Au total, 43 départements et villes sont touchés par ces inondations dans les huit régions du pays. Et c'est tout, pour le flash d'information de ce lundi 25 septembre 2023. Merci Mouktara pour toutes ces informations. Chers auditeurs, nous s'ouvrons ensemble sur la prise en charge des, permis, des personnes âgées Amaradi. Mais avant, Mariam, écoutons ce morceau de Maliaro avec le titre Maïga. que se llama Maiga y Gondal Barca. Maiga y para Maiga Nar. Cuando Maiga y Ga. Maiga. Dar con Maiga y para. Maiga. panyo Maiga y Gono. Maiga. Mena Maiga y para. Maiga. Babino Maiga y para. Maiga. Kundai Maiga y para. Maiga. Kuli Kwaira Maiga y para. Maiga. Wazarba Maiga y para. Maiga. Kundai Maiga y Gono. Maiga. Kura Maiga y para. Maiga. Shibara Maiga y Gono. Maiga. Cher ami fidèle aux auditeurs, Mega, c'est le titre de la chanson que vous êtes en train de kiffer. Ce titre est extrait de l'album Tula, sorti en 2010. L'artiste Maliaro fait les horloges des méga dans cette chanson. Ah ouais, de son vrai nom, Abdoulaye Bouremadi Maliaro est né en 73 à Sirfikwara, dans le département de Terra. Au départ, il était un joueur de gumbé, un petit tambour avec des amis. En 1996, il a formé un groupe de musique appelé Gumbé Star. Il a été couronné plusieurs fois meilleur artiste musicien nigérien et a participé à de nombreux événements culturels dans le pays et même à l'international. Ouais, dédicace à tous les mégas qui nous écoutent actuellement. On y va Chers auditeurs, c'était là, le titre titres méga de l'artiste Maliaro. Chers auditeurs, écoutons à présent la première partie de notre entretien. La gératrie est la médecine qui prend en charge euh, des maladies liées à l'âge. Au Niger, ils sont que deux docteurs spécialisés dans ce domaine, un à l'hôpital de référence de Niamey et un à celui de Maradi. Docteur Idrissa Maïgazara est celle qui s'occupe des malades âgés de Maradi pour elle, leur spécialité est mieux connue des Nigériens malgré le besoin. Elle nous parle de sa spécialité et le soulagement qu'elle apporte aux patients âgés. Elle est au micro de mère, Maman. Un gériatre, c'est un médecin qui s'occupe des maladies liées à l'âge. Donc euh, les maladies qui sont très fréquentes chez les personnes âgées, comme la pédiatrie s'occupe euh, des maladies des enfants, donc la gériatrie s'occupe des maladies des personnes âgées. C'est-à-dire que les personnes âgées euh, ont aussi des, des maladies spécifiques. Tout à fait. Les personnes âgées ont des maladies spécifiques et ils ont des fragilités qui fait que leurs maladies sont spécifiques. Ah, alors, vous êtes ici euh, à l'hôpital de référence de, maladies. Quelles sont les maladies les plus fréquentes de ces personnes âgées que vous rencontrez Ici, à l'hôpital de référence euh, de maladies, les personnes âgées que nous recevons présentent beaucoup plus de maladies cardiovasculaires, dont l'HTA, le diabète, les maladies euh, d'origine cardiaque et aussi des maladies neurodégénératives comme l'arthrose, comme les démences qu'on ne connaissait pas avant ici au Niger et en Afrique subsaharienne. Les démences, euh, ils sont classés en plusieurs sortes. Il y a des démences dites vasculaires, des démences euh, dites neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Il y a des démences aussi curables qu'on peut guérir de ça. Donc, euh, dans notre contexte, avant, on a plus de démences vasculaires, donc qui sont secondaires à des AVC. Les malades qui font des AVC, après ils font des démences vasculaires. Ou bien des malades, les malades qui traînent une hypertension artérielle qui est mal prise en charge, qui finit par donner des dépenses vasculaires. Mais présentement, on commence à avoir aussi beaucoup de démences euh, euh, dites euh, Alzheimer dues à l'avancée de l'âge. Parce que nous aussi, maintenant, on commence à avoir beaucoup de personnes âgées vu l'évolution de la science, les gens vivent plus longtemps. Et au Niger aussi, l'espérance de vie est en train d'augmenter. Ce qui fait qu'on a beaucoup de ces maladies qu'on avait avant que chez les Blancs, mais aussi chez nous maintenant, on commence à les avoir. Ah oui, c'est bizarre. Quand on parle d'Alzheimer en Afrique, au Niger, <laughs> comment ça se passe Effectivement, quand tu dis Alzheimer, les gens disent Ah bon, ça existe chez nous Si, ça existe. Parce qu'avant d'arriver chez nous, parce que la gériatrie n'est pas très connue, c'est une spécialité qui est innovante, qui vient d'arriver en Afrique. On est deux au Niger. Donc, euh, du coup, avant que ça n'arrive chez nous, les gens pensaient à des troubles psychiatriques ou bien mythiques dans notre culture, euh, parce que c'est des comportements qui font penser à des trucs euh, mystiques. Donc, avant que ça n'arrive chez nous, déjà, ils arrivent au stade terminal de leur maladie. Donc, c'est une maladie qui est quand même neurodégénérative et progressive. Quand elle est vite diagnostiquée, à des accompagnements qu'on fait, bien qu'il n'y a pas de traitement, mais il y a des accompagnements pour alléger la vie du patient et aider aussi les parents à mieux gérer les patients atteints de cette maladie, qui est quand même invalidante. Vous êtes seul à maladie, comment vous prenez en charge ces personnes À travers les collègues et à travers aussi euh, les patients, comme on voit des urgences, j'arrive quand même à avoir des personnes âgées que je prends en charge et dans le service aussi dans lequel je suis affectée, j'aide beaucoup à la prise en charge des personnes âgées. Comment se fait la fréquence Est-ce que les personnes âgées viennent vraiment en masse vous voir pour leurs problèmes Je dirais pas en masse, mais quand même, euh, il y a une cohorte qui arrive chez moi. n'est pas très bien connu. Peut-être avec euh, votre interview, les gens sauront qu'il y a un médecin qui s'occupe des personnes âgées. Mais quand même, les quelques-uns que j'arrive à, rencontrer, vraiment, euh, je fais de mon mieux pour les prendre en charge. Ce n'est pas seulement la prise en charge clinique, il y a prise en charge psychologique. Vous faites ça aussi Oui. une personne âgée, la prise en charge, elle est globale. C'est ça, la prise en charge sanitaire et sociale. Une personne âgée, quand tu la vois en constatation, n'est pas seulement la maladie. Il y a le côté psychologique, il y a le côté environnemental qu'il faut voir, financier. Donc euh, c'est là où intervient la gérontologie, qui est une spécialité aussi euh, à part entière de la gériatrie. Parce qu'on dit un géranto, gériatre, ou bien un gériatre et gérontologue. La gérontologie, c'est la science qui s'occupe du vieillissement, sur tous ses aspects, socio-économiques, financiers, environnementaux. Donc une personne âgée, à part sa maladie, a aussi des problèmes sociaux, environnementaux qu'il faut tenir compte dans la prise en charge. Parce qu'on est d'accord qu'au Niger, les personnes âgées n'ont pas de prise en charge, ils n'ont pas de, de gratuité de soins. Donc euh, quand tu vois une personne âgée, il faut toujours te demander qui le prend en charge, quelles sont les limites de ses finances. Parce que c'est pas donner une ordonnance à une personne âgée qui a par exemple une maladie euh, cardiovasculaires comme l'HTA ou le diabète, est-ce qu'il a les moyens de suivre le traitement comme il le faut Et déjà dans la prescription, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut les prescrire, le médicament qu'il peut payer. Donc c'est important d'évaluer ses finances. Donc euh, la gériatrie, c'est une société qui évalue tout ça. Et les personnes qui viennent vers vous, vous arrivez à les satisfaire En tout cas, j'ai fait tout mon mieux en tant que médecin de venir en aide aux personnes âgées qui viennent me voir, de faire de faire une évaluation globale de ce qui les amène en constatation. Parce qu'en gériatrie, il y a ce qu'on appelle les fragilités. Donc quand tu vois une personne âgée, à part la pathologie, les commodités pour lesquelles ils arrivent, ou bien le vieillissement euh, physiologique, il y a ce qu'on appelle les fragilités. Dans les fragilités, il y a la nutrition qu'il faut évaluer, il y a la cognition, c'est-à-dire la mémoire, il y a la dépression, le moral qu'il faut évaluer. Il y a l'autonomie, parce qu'une personne âgée, si elle ne marche pas, quand elle devient dépendante, c'est une, charge pour la famille. Donc il faut tout faire pour qu'elle ne devienne pas dépendante pour la famille. Donc il faut qu'elle soit autonome. Donc l'autonomie, c'est très important. On évalue aussi les risques de chute, parce que les personnes âgées, quand elles chutent, c'est des fractures du fémur, des fractures du poignet, donc euh, qui sont difficiles à gérer, vu l'ostéoporose. Donc euh, on évalue tout ça là. la polymédication, parce que euh, une personne âgée, c'est beaucoup de maladies et beaucoup de médicaments. Donc on évalue les médicaments pour voir l'interaction entre ces médicaments-là, les effets secondaires que ça entraîne. Donc il y a la confusion aussi, il y a beaucoup qui font des confusions dues à des médicaments qui, une interaction entre les médicaments. Donc euh, il y a les fragilités, il y a aussi ce qu'on appelle les grands syndromes gériatriques, qui sont vraiment des, des spécificités liées à l'âge que seuls les gériatres peuvent détecter. Alors à quel âge on peut estimer que cette personne est vraiment une personne âgée Alors une personne âgée ici au Niger et l'OMS a contextualisé c'est 100 ans et plus. Donc 100 ans et plus, à 100 ans, c'est la prévention surtout. S'il n'y a pas de maladie chronique, il n'y a pas de comorbidité, c'est de faire une prévention, je dis primaire, pour ne pas avoir une pathologie chronique. Si tu as une pathologie chronique déjà, il faut faire la prévention secondaire pour maintenir ces maladies, pour qu'ils ne deviennent pas un handicap. Donc, si vous êtes dans la prévention secondaire, vous avez déjà des maladies chroniques, il faut faire la prévention tertiaire pour que ces maladies chroniques ne se compliquent pas. Donc, euh, c'est vraiment important faire ces trois phases. Donc la personne âgée, c'est 60 ans et plus. Mais la fragilité, c'est 115 ans. Donc à partir de 115 ans, la personne devient très fragile. Chers auditeurs du studio Kalangu, l'émission le, mission, le, le Niger sur Kalangu se poursuit avec un autre tour en musique. Mariam, tu nous proposes quelle chanson On écoute Ismoan et Elsa, Il nous vient avec les titres sans rancœur. Sali, personnellement, j'adore ces sons. Ok, d'accord, on kiffe alors. Yeah. Elsa Ismoan tu connais la suite. Ils ont tenté de m'exterminer, ma mission n'est même pas terminée. Trois bas dans les dos après mon concert, vous n'aurez jamais dû me louper. Toi t'attends même pas à ma cheville, tu moi qui veux-tu tester. Ta carrière est risquée, si tu me suis tu vas souiller. Et ça, ils sont ils sont dans la merde. Entre nous les carrés quand ils sont dans la S. Un son de qualité, pour les démonter. Ils sont pas contents, hmm. on va les contrer. Je suis béni. Oh là, mon nom tu ne peux le salir. Regarde-moi, Yamé, t'es dans mon cœur. Elle saïs mon one, et c'est sans rancœur. Je suis béni. Oh là, mon nom tu ne peux le salir. Regarde-moi. L'ambiance est bonne. On est entre frères. Eza is mon ah one. Et c'est ah, ça, rancœur. Munani maga ga Allah suko ko mu kwata-kwata sun ki gamu ko girma hannu wanda gare su be ishe su ba dan abun hannu mu ya so ne musu ido ah, to ta Allah ba ta fatan su su su gamu kuki ba kulum kurami kullum Allah ba makiya dubu da yawa kum ka kare mu da shirin su duka sun yi sun yi dan su gan mu a ƙasa mun ki mu faɗu mun yi tsayin daka boka na malami na shine Allah waye isa ya sha da ikon Allah murmushin uwata ya ishe ni barka na kashe bitin sai dai wani wata Oh la mon nom tu ne peux le salir. Regarde-moi, Yamé, t'es dans mon cœur. Oh oui, oui. Elsa is mon one, et c'est sans rancœur. Je suis béni. Oh là, mon nom tu ne peux le salir. Regarde-moi, l'ambiance est bonne. On est entre frères. Elsa is mon one, et c'est sans rancœur. Sekinibe, Sekinibe, Sekinibe, Sekinibe, Sekinibe. Sans rancœur de Ismoane et Elsa, chers auditeurs, poursuivons la deuxième partie de notre entretien sur la prise en charge des personnes âgées à Maradi. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à aller euh, dans ce domaine de, prise en charge des personnes âgées Alors, la gériatrie m'a passionnée. Maman était diabétique. Depuis la première année, je l'ai prise en charge pour son diabète. Et chaque fois qu'elle décompensait, c'était moi. J'étais étudiante, mais j'arrivais quand même à faire des garde-fous pour qu'elle soit bien prise en charge. Dans ça que j'ai vu, et j'étais en médecine interne, j'ai vu comment les personnes âgées, euh, leur prise en charge est, difficile. Donc, euh, il y avait mon maître, le professeur Eric. En ce moment, il me parlait beaucoup de la gériatrie. Donc euh, j'ai dit vraiment, j'ai réfléchi, je disais que c'est une société quand même et qui prend en charge nos parents, et nos parents vraiment ont besoin des spécialistes qui vont, qui les écoutent, qui comprennent leurs problèmes, que ce soit médical ou social. Donc ça m'a beaucoup passionné, j'ai beaucoup lu sur la gériatrie, j'ai vu que c'est très développé en Europe, mais chez nous, non. Donc euh, quand j'en parlais autour de moi, les gens disaient quelle personne âgée tu vas prendre au Niger. Donc c'est après que j'ai compris, au début j'étais découragée, mais j'ai compris qu'en réalité, c'est pas seulement l'âge, il y a aussi la prévention. Donc ça m'a beaucoup inspirée. Et quand je commençais, je me suis rendu compte que j'ai pas fait d'erreur. C'est vraiment passionnant de, soigner les personnes âgées. Vous êtes seulement deux euh, Au Niger, pour le moment, il y a beaucoup qui sont en, formation, une dizaine, et qui sont présentement en France. Pour le moment, on est deux euh, sur le terrain. C'est une fierté pour vous aujourd'hui d'être euh, parmi ces deux gériates reconnus au Niger Oui, c'est une fierté. Et en tant que femme, la seule femme gériatre disponible au Niger, c'est une fierté. Est-ce que vous conseillerez aujourd'hui à ces jeunes étudiants en médecine de vous emboîter aussi le pas Il y en a déjà des candidats quand ils me voient travailler à l'hôpital de référence, euh, ceux qui ont eu la chance d'être dans mon service, ils passionnent déjà de la gériatrie. Donc on aura, Inch'Allah, beaucoup de futurs gériatres au Niger. C'est dire que euh, les infirmiers et les médecins qui sont dans les centres de santé ne pourront pas totalement prendre en charge les personnes âgées. C'est pourquoi vous les formez aujourd'hui euh, cette, formation elle découle d'un long processus. On a compris que dans les centres sanitaires, et la prise en charge des personnes âgées n'est pas adéquate. On n'a pas un bon cadre de prise en charge des personnes âgées. Si on dit cadre, les, personnels ne sont pas qualifiés à la prise en charge des personnes âgées. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas reçu de formation sur la prise en charge des personnes âgées. Mais ils le font naturellement dans notre conseil socio-culturel. Ils font de leur mieux. Mais il y a quand même il des formations complémentaires qu'il faut faire à ces agents de santé pour qu'il y ait une meilleure prise en charge des personnes âgées. Ça, c'est un. De deux, il y a ce qu'on appelle les infrastructures. Nos hôpitaux n'ont pas de cadre spécifique de prise en charge des personnes âgées. Pour qu'il y ait un cadre, il faut qu'il y ait des unités qui mettent en place des, matériels, des matériaux qui sont adaptés à la prise en charge des personnes âgées. Selon les normes standards de l'OMS, il y a des matériels qu'il faut disponibiliser dans tous les services, dans tous les hôpitaux, pour qu'il y ait une prise en charge adéquate des personnes âgées. Ces matériel, c'est des matériels simples, comme des lits médicalisés, des matelas anti-escar. Il y a plein de choses qu'il faut mettre en place pour une bonne prise en charge des personnes âgées. À part ça, il faut faire une formation continue des agents. Ceux qui sont déjà sur le terrain et ceux qui sont à l'école, il faut qu'on insère des modules de prise en charge, de la gériatrie, et dans les écoles de santé et à l'université, pour que depuis eh, la fac ou depuis les écoles de, depuis les écoles de santé, qui y ait des garde-fous pour que les, agents de santé qui sortiront à la fin de leur formation, il ait une bonne qualification pour la prise en charge des personnages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, votre spécialité a un rôle important à jouer dans, la société et dans la médecine. Bien sûr, que ce soit le côté préventif, que ce soit le côté social, vraiment, euh, la gériatrie a toute sa place. Parce que c'est la médecine de l'avenir, je dirais. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, le Niger sur Kalangou se poursuit cette fois-ci avec notre rubrique hebdo qui parle de justice comme on est lundi. L'enfant est définie comme l'être humain de 0 à 18 ans, alors que le Code civil, par exemple, permet à la fille de se marier à 16 ans. Pour Memuna Goje Magistrata, c'est une incohérence, juridique portant sur la majorité ou la minorité, surtout lorsqu'il s'agit d'une infraction commise par un enfant. Elle est micro de Rafika Le Code civil nigérien permet à la jeune fille de se marier à 16 ans, alors que l'enfant s'est définie de 0 à 18 ans. Quelle analyse faites-vous c'est une incohérence juridique si, par exemple, quand vous prenez le code de procédure pénale et le code pénal, dit que l'enfant de 0 à moins de 13 ans jouit d'une excuse de minorité et si cet enfant-là tue quelqu'un, l'enfant ne peut pas être condamné parce que l'enfant n'a pas 13 ans. Pour pouvoir être poursuivi, condamné et j'étais en prison, il faut à partir de 13 ans. Et même 13 ans, de 13 à 18 ans, on dit que quand lorsqu'un enfant commet une infraction, tue quelqu'un, blesse quelqu'un, brûle une maison, on va lui appliquer la moitié de la peine prévu pour un adulte. Qu'en matière délictuelle, lorsque l'enfant de 13 à 18 ans commet une infraction, il ne doit pas rester en prison en matière de détention préventive pendant plus de trois mois. L'inconvénient, c'est quoi Comment vous dites qu'une fille de à 16 ans, elle peut se marier, qu'elle peut gérer un homme à 16 ans et que elle, si elle tue cet homme, qu'elle bénéficient d'une excuse de minorité et qu'elle prennent la moitié de la... Ça veut dire que vous n'en faites pas un adulte. Qu'est-ce qui doit donc être fait dans ce cas donc, le législateur doit être cohérent et aller au bout de sa logique. Soit il estime que minorité pénale, minorité civile et mariage doivent, les mêmes âges doivent être retenus, soit il corrige, mais il a nécessité de corriger. Vous ne pouvez pas dire que l'enfant qui ne peut pas aller en prison peut se marier. Voilà, chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire. Faisons un autre tour en musique avec Yacoub Moumouni Denke Denke qui nous chante Dada دلايهم دلايهم بلي تكسي دبول ستالم دلايهم دلايهم بلي تكسي دبول ستالم ولا بي بل كل سوالي دانا كفنغ كلا جربي هلا جربي مساتو نلي جنة نلي كلا كفوا كلا ما ننسى يا راي يلا بلي نمو دلايهم دلايهم دلايهم بلي تكسي دبول ستالم بلي زي هلو كنتو بلي دارو نولي وناغا كويري تاسا كالي يوم واغا كانو Yo haga you want haga le titre que vous êtes en train d'écouter de son vrai nom, Yacoub Moumouni, dit Denke Denke, 9h4 1966, Atira rejoint de Tilaberi, est un chanteur, compositeur, danseur et flûtiste nigérien. Il a grandi parmi le peuple. Il fait du jazz et de la musique à traduit moderne. Le leader du groupe de jazz ethnique Mamar il est l'un des musiciens nigériens les plus connus en dehors du Niger. Chant tiré du répertoire local Peul et Songhai, tels sont les principaux éléments qui caractérisent les compositions de cet artiste. Et pour couronner le tout, Yacoub Momouni reflète de par son habillement toute la culture Peul et Soraï. Voilà, chers auditeurs, c'était Dada et Houmé Mariama à présent direction, direction Agadez pour l'écho des régions, plus précisément à Chirozérine. On écoute. Tyrosérine au cœur du désert du Ténéré. La population de cette ville minière est majoritairement jeune et les jeunes résidents font preuve d'un engagement exceptionnel pour créer un avenir meilleur en trouvant un emploi. En effet, les jeunes de Tirozérine n'attendent pas l'État et ses partenaires. Ils s'engagent eux-mêmes en créant des emplois à travers leurs structures en collaboration avec leurs communes pour un développement durable. Emoud Agalher, premier vice-maire de la commune de Tirozérine confirme. Les jeunes de la commune de Tirozérine sont très organisés. Ils ont des organisations agréées qui travaillent en parfaite collaboration avec euh, la commune. Les objectifs de ces organisations, d'une manière générale, donc euh, cadrent parfaitement avec euh, la planification de notre commune. Pourquoi chaque fois quand on a des projets ou des programmes qui veulent intervenir dans les cadres de leurs activités, on les associe. Ils ont des organisations différentes. La jeunesse de Tirozérine est très bien organisée. Vraiment les activités qu'ils sont en train de mener cadre euh, cadrent parfaitement avec nos objectifs aussi. Donc vraiment ce qu'ils sont en train de faire, franchement, ça nous soulage. Pour plusieurs jeunes, la première étape dans leur quête d'emploi est souvent la formation. Cependant, il manque des centres de formation locaux dans certains domaines. Et c'est là, malgré leur créativité. Mokhtar Amadou, président des coopératif Hadin Kambatassa de Tirozerine, explique les difficultés de financement. mu ce rashin tallafi babu isasshen tallafin da za a yi saboda yanzu a matsayin mu na yan kungiya kusan duka abin da za mu yi a hada ne kamar yadda aka sani cotization da ake yi na wata ko na sati to cikin shi ne za a ce a yi wani abu wannan kuma ba zai ba mu dama ba mu yi wani babban abun da zai girgiza gari ma'ana wanda zai sa gari kowa ya ji a jikin shi ya ji daɗi a tuka guri na yau in waye gari ya zamanto wannan kungiya ta yi ta zama association wadda an yi mata takarda daga daga ministar wadda take ba dama kamar ko ina ina iya activity ƙungiyoyi su girma don su rika kai tallafi nesa ba don wani abu ba saboda yanzu kana intervenir kulbusa harkar rashin lahiya yanzu a wani wuri da suke da matsaloli wurin tana yawa ko wata kazamta ko wani abu da adda kai. kuma wannan abin ku kuna iya ku je ku wayar ma mutane kai ta wannan wurin kuna da wasu hanyoyi wasu strategy da za ku yi applique. wanda za su sa mutane wanda suke wannan wuri kan su ya waye to kuma ba cikin yankin ku ba suke agreement da gare ku bai ba ku dama ku ta yanki pour sa part Aminatu Abdurrahman présidente de la coopérative Mata Masukokari explique que son objectif est de soutenir les jeunes filles dans sa coopérative. Da muka sa muka diba a nan ga cikin gunduma in babu kungiyoyi na mata matasa. To abin nan ne ya samu muka sa muka ce to za mu sa mu kirkira ta fuski mu matasa ne mata wanda suke da shekara goma sha biyar zuwa shekara arba'in. Dan a ranka ta dama da mata don saboda mata an baro su baya sosai su tu matasa ƙanana kama waɗanda yake ba su kai ba shekara ishirin hakan ga mafi yawa zaka gani suna zan ba su wani abu kungiyar da muka samu kai kire yakinta mata matasan nan sai su samu su ma su ci gaba a cikin ta don su zo su amfana kansu don saboda gobe da kowai da suka yi karatu sosai da kai da ba su yi karatu ba kenan aka saka koya maka aikin hannunka kenan baka zo gida ka zauna baka komi to ni gurin da ke garin zuwa gaba kungiyar gatawa ba ni so ta saya da sunan cooperative ina so ta koma association ya zama to a santa ko ina l'objectif de bukar Lawan président Ureport voix des jeunes de Tirozérine et de garder les jeunes dans sa structure en les empêchant dale a en exode. Iri report abin da sani shiga ta saboda tallafin garin mu ne, tallafin mu ce da komikin tamu. Kai kiran shi saboda mu saya mu ga komikin aiki. mu ba fita wata kasa kana wani exot muka samu ka kira wasu entreprise namu nan kasa tamu muka kama makannin sai mu samu ci gaban ganin namu me yanka ce ka shi ka je wani society ko ni fita wani wuri ka te ka samu ka sha wahala ganin da ba ka ba ba yi ko komai zama da ka cikin shi dole ta za ka koro ka yanzu kuma muka ce mu je wani society na sai an bude su ko an sai hakan ga gaskiya muna baya kwarai abin da muke so da shi ne muka kira ne kuma mu sensibilisation nan kama makan mu mu ta makan asiri kuma saboda cin gaban komikin tamu a ce mun fi sauran komin kawai ni ne muka doka Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Merci à Ahmed Félan pour ce reportage, chers auditeurs. Place à présent au sport avec euh, Soumana Amadou. Soumana, bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour. Soumana, tout d'abord, parlons du football féminin avec les éliminatoires de la Cannes Maroc 2024. En effet, à ce sujet, retenons que l'équipe euh, nationale féminine du football du Niger, les Gazelles, a perdu le match aller contre celle de Tunis par le score de 7 buts à 0. C'était le vendredi passé et le match retour est prévu euh, pour euh, demain mardi, toujours à Tunis. Soumana, autre compétition, mais dans une autre discipline, je vais parler du TGV, tournoi des grandes vacances de taekwondo qui s'est déroulé les 23 et 24 septembre 2023 à Niamey. Oui, organisé par euh, la Fédération nigérienne de taekwondo, l'Open international de Niamey a regroupé plus de 350 athlètes venus de toutes les régions du Niger. Il est à sa huitième édition. À la fin de la compétition, les clubs de la capitale ont remporté la majorité des médailles. Quel est alors euh, le classement Le classement est le suivant. Le premier AS Police Nationale, avec 12 athlètes, a totalisé 702 points et a décroché 10 médailles, dont 4 en or, 3 d'argent et 3 de bronze. La deuxième place revient au club euh, Sabongari, 16 athlètes, 596 points a gagné 11 médailles, dont 3 en or, 2 d'argent et 6 en bronze. La troisième place revient à l'AS Garde nationale, 526 points avec 9 euh, athlètes, remporte 6 médailles, dont 4 or et 2 bronze. En ce qui concerne les clubs de l'intérieur du pays, Chaud de Gaïa est classé 15e avec euh, une médaille d'argent et 2 de bronze. Le club La Casse de la ville de Dosso, lui, est 40e avec une médaille de bronze. Retenons toujours que cette euh, huitième édition a également enregistré la participation, la participation d'un club euh, togolais et un du Burkina Faso. Les visiteurs euh, ont chacun décroché une médaille de bronze. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre page sport. Merci Soumana pour toutes ces infos sportives. À présent, le portrait du jour. Mariam, le portrait d'aujourd'hui nous amène à la découverte de Adam Abako, ingénieur des travaux publics et spécialiste en, géotechnique. Adam Abako a débuté sa carrière en 1993. Mariam Arimi, euh, désolé, Rechia Arimi nous dresse son portrait. 'yar shekaru 64 uwar gidan Abba Manzo Adama Baku Muhammad mahaifiyar 'ya'ya biyar ce. Bayan ta kammala karatunta na firimare, sakandare da jami'a, Malama Adama Bako ƙwararriya ce a fannin fasahar gine-gine. ta yi ritayarta tun shekarar 2019 bayan shekaru da dama tana hidima a ɗakin gwaje-gwajen ayyukan jama'a aikin da take so sosai ta mana ƙarin bayani. Abin da ya sa ni dai na je na yi aikin travel public. Baka mhm. na yi seri da kenan kamar dai sere scientific ne. Mhm. Kuma tun ina college na gane da hankali na ya yi komawa wajen justement irin dai kama aiki dai na hannu haka ilimi na scientific wannan ne na gane kai na na son irin wannan aikin to yanzu da na yi bak shawara gida dai sai wani yaya na ya ce mini akwai wata lakwal yi eh, na ba mako mm. ya ce ki zo nan abin da kike so ki nan tun za ki samu ki sai Allah ya zaba mini ya eh, kwalkin Cote d'Ivoire na yi shekara hudu na fito da diplom na engineer na gine-gine mm, amma da na zo minister kinmu na equipment lokacin kuma na kwatanta kuma har yanzu dai inda zan yi aikin hannu zan hita in ce shi shine nake so sai aka kai ni kamfanin laboratoire national na travaux public eh, da na zo an sa ni director cikin etude don na fondation ne sai mu tafi bisa filin da za a yi ne mhm. mu yi aune aune eh, shanti na na harin da na yi shine wanga gran marshe kin yame lokacin gran marshe ya toye za a sake jina shi da aka tura ni bisan shi mhm. kuma fita muke mu je mu wuni tare da tare da abokan aiki akwai injuna muke auno karhin kasa in muka yi kuma mu zo nan laborator kuma a auna sai a diba a gani a ce to wanga wuri ga inda za a aje fondation wanga wuri ga inda za a ajewa uwar gidan abba manzo adama ita ce mace injiniya ɗaya tilo a lokacin ta ce ta fuskanci matsaloli amma duk da haka ta dage ta fuskance su ta kuma ce ta gamsu da aikinta. Eh, to kalubale da matsala ba a rasawa in ya zamanto ka zo wuri ka iske maza ne mhm. suka fi yawa maza suka fi yawa da na zo wurin a sunan a sunan engineer dai ni mhm. kaɗai ni ce mace ta fari nan dole eh, mazan nan suna sa ka gaba mhm. su gane su ce wanga menene za ta iya yi akwai wanda suke gwada ma ba su ma san aiki da kai sun yi son su yi aiki da maza warin su amma in ka tsaya ka gwada musu aikin nan da suke iya yi kai ma kana iyawa to dole sai su baka lafiya sai da na yi aiki kamar a ce kokarin da zan yi zai lunka nasu Mm. tunda wani bai su za su zamana ma biro ne su tura yara su ce ku je ku auna mana ku kawo amma ni ban da ban da daman yin haka nan gaskiya na ji daɗin zaman wurin ko da na zama director cikin wurin ma'aikatan duk sun amince da aiki na to tun katuro jikin nan dan nake director sai 2008 ministan da sun kai ta zawa tunda ba minister guda bane wanda sun kai ta zawa sun iske ni wurin sun yaba da aikin ne sa suka bar ni wurin a lokacin da take shirin shiga ritaya malama Adama Bako Muhammad ta zaɓi mika ta ga al'umma inda ta buɗe cibiyar koyar da aikin hannu da makaranta a shekarar 2017 da shekarar 2018. Na buɗe Center de Formation, so na so da cikin Center de Formation kin nan nawa kamar musa a gwada a yi mekanik a yi batiman kin a yi dai wasu ayyuka dai haka dai eh, na hannu da yara za su yi. To amma sun san nan buɗe lokal eh, to sai ba mu samu muka kai wannan matsayin ba amma santar kin yana nan santar ne inda ake koya ma mata ɗumki da da wani dahe-dahe da wani makiyaji haka kuma ana koya musu informatics eh, akwai makaranta ta primary muna koya ma yara daga daga maternal mhm. har zuwa cmd yasin abba manzo dan adama bako ya ba sosai da jajircewa da ƙoƙarin mahaifiyarsa. Gaskiya tun mu. mun shaida da ƙoƙarin da take yi tun da tun ina yaro take directrice tun ina CE take directrice kin laboratoire na travaux public har na ida primaire kin na elevated function mun shaida da ƙoƙarin da zai zaman yi. Mun mm-hmm. ba mun kaɗai ba mutanen da ta zaman aiki da su babu guda amtuka da mu muka sani wanda ya taba ce mana a ah, ga halin da ta yi wanda bai kamata ba ko duk wanda ka muka game da shi dai mhm. wanda ta zama aiki da shi kullum sai dai ya yaba aikin da ta yi. Babu wani aiki da za a ce wannan na maza ne ko wannan na mata ne. Aiki in dai aiki ne na wanda yake ganin zai iya ne. In ji uwar gidar Abba Manzo Adamu Baku Muhammad idan mace na da iyawarta babu dalilin da zai sa a ce ba ta yi abin da ake kira aikin namiji ba. Merci Recha Arimi, chers auditeurs. Un, bon, un dernier tour en musique avec l'orchestre Colombo de l'Aïr qui nous chante Kukanzaki. I'm gana dan damu sabin cike ke wace yana uwa harbi na karfe ta godiya maza na dari yara huta na dari maza na dari huta na dari irana ya aikin sojuwa zai kashe mutum abiya shi har ma a bashi barin lamba sai soja sai soja sai dai soja soja birgimar haka soja marmari daga nesa

da kakin soja daga yau sai mata sai mu da ke taba muku hana tasar na gaishe emiji sai kan leka ka farnan da duko bai koma tawala na kan leka ka kiske metin sai kalan mutum kalar kaya nai barikin kalin yiwon ka na gaishe mu na yaba akwai arfe yaran ba na haske maganin ruwa haske mai filisi mama siyama gai da sista sama na sari na gaishe mu na yaba akwai alheri uba komai kowa polis sai na gaishe mu belbaja yi polisu kadar na gaishe ka kalan mutum kalar kaya dai farikin ka aljihunka a zuba a sayar ba ka za ta kara doki wani ina baban wani ina baban ke ya wuce yaro sai dai baban yaro ko kuma kakai yaro baba abulkarimu ilo na gaishe ka na bari ya ɗai yarinya ba kwai alheri ina ko bai zo ba bidiyo dan lalle ka ni ma babu ganana na ya ba kwai alheri waye ta ba mun koga sannu ban daki na kiwa karye ta ce zaki ba ka da tsoro waye ta ba mun koga waye ta ba mun koga wanne da shi zane mu shi ba araba ne sanu da banza wanda ya dama wura bai sha ba ita ce maka sai sai ta kai ma bishi da sai ta wanda ce maka bai ya san ka kai ma bishi da kallon banza ai ga shekara sauran kwana a raba ni da zancen kura sanu da zancen banza Today is the second one like that solo. Solo, look at your solo. Put it up, put it up.

zalimin shuhaken banza a raba shi da zancen duniya a san mutu da zancen banza wanda ya dama wura bai sha ba ni ya ce maka sai ta yi tsami kai ma biki da sai ta yi tsami wanda ya ce maka bai ya san ka kai ma biki da kallon banza ba a ka shekara sauran kwana a raba shi da zancen duniya a san mutu da zancen banza Chers auditeurs, faisons place à, place à présent aux femmes du studio Kalangu pour le loti qui nous parle de la naissance des filles. Dans certaines communautés nigériennes, les femmes sont stigmatisées pour avoir donné naissance à des filles. Des stéréotypes ancrés dans les esprits des maris qui ignorent en fait que c'est une question de génétique et que le sexe du bébé ne dépend pas d'eux. Suivons cette discussion entre les femmes sur le sujet. Affairage, affairage, affairage, affairage. Félicitations, madame. C'est une fille que vous attendez. Hamza, Hamza, Hamza, je te parle. Hum. Excuse-moi, j'étais perdue dans mes pensées. Ah, ce n'est pas bon dans ton état. N'oublie pas que tu es enceinte. Tu dois éviter le stress. Qu'est-ce qui te tracasse autant hum. Je viens du centre de santé pour une échographie le médecin m'a annoncé que j'attends encore une fille. Masha Allah, c'est une excellente nouvelle que tu m'annonces là. Tu n'as que des filles. Je t'envie vraiment, Masha. Si tu savais combien j'aimerais avoir une fille. Mais attends, qu'est-ce qui t'attriste alors Ton bébé est malade <laughs> si jamais j'accouche, ça sera la quatrième fille. Et mon mari s'attend à avoir un garçon. Je ne sais même pas comment le lui annoncer. Je ne comprends rien de ce que tu essaies de me faire comprendre. <laughs> Mon mari m'a prévenu que si j'accouche d'une fille, cette fois-ci encore, il va prendre une seconde épouse. Pour cela, j'ai consommé toutes les plantes que ma mère m'a apportées et respecter le régime alimentaire que ma cousine m'a conseillé pour augmenter les chances d'avoir un garçon. Hey, mais tu veux vous tuer ou quoi <laughs> Calme-toi. bah, arrête de pleurer, s'il te plaît. Hein Cela peut avoir des effets néfastes sur ta grossesse. Mais sache que c'est juste un prétexte que ton mari cherche pour se marier. Comment ça, un prétexte Oui, de la pure génétique. Il faut que tu comprennes que c'est l'homme qui détermine ce que porte la femme, car c'est lui qui donne le chromosome qui détermine le sexe du futur bébé. Donc ne te stresse pas pour ce genre de choses. S'il faut condamner quelqu'un, c'est plutôt lui. Ah bon, ma chérie C'est scientifiquement prouvé. De toute façon, un enfant, garçon ou fille, tu ne sais pas c'est lui qui fera ta fierté. Je vais en parler avec ton mari. C'est aussi son rôle en tant qu'époux de te préserver surtout par rapport aux préjugés sur les naissances. Tu as absolument raison. Nous ignorons tout cela. Tu ne sais pas à quel point notre désir d'avoir un garçon a compliqué la relation entre mon époux et moi ces dernières semaines. Fille ou garçon, j'aimerais nos enfants d'un amour inconditionnel. C'est cela le rôle des parents. <laughs> Alors souris un peu. Ça va aller. Inch'Allah. là le loti du desk du Studio Kalangu, chers auditeurs, découvrant ensemble le mot du jour de la culture linguistique avec Jackie. Hello, bonjour. How are you? Comment allez-vous? Justement, dans l'émission aujourd'hui, on va parler des salutations en anglais. Comment saluer les gens de façon formelle et informelle et leur demander comment ils vont. Donc, première question, et je crois que vous devriez déjà savoir la réponse. Comment dire bonjour Eh oui, c'est hello. Hello. Hello, c'est un mot qu'on peut utiliser à tout moment, matin, soir, nuit. C'est pas lié à un moment spécifique dans la journée. Donc, simplement hello. Pour dire les choses un peu plus informellement, un peu comme salut, on peut dire hi. Hi. Très simple. Maintenant, comment allez-vous Une chose peut-être utile à savoir, c'est que en anglais, comme pas mal de langues, il n'y a pas la différence entre vous et tu. On dit you et you, ça peut être formel, ça peut être informel. Ça ne dépend pas de la personne à qui on parle ou le contexte. Donc, comment allez-vous ou comment vas-tu C'est la même chose. How are you? How are you? How are you? Et la réponse? Ben, en général, on n'aime pas répondre dans la négative pour dire ça va pas bien du tout, donc que ce soit vrai ou pas, on a tendance à dire je vais bien. Alors, comment dire je vais bien en anglais I'm fine. I'm fine. Comment dire je vais bien, merci I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Alors maintenant, on va reprendre tout ça, voir si vous avez bien retenu. Donc, comment dire bonjour Hello. Comment dire salut Hi. Comment dire bonjour, comment allez-vous ou bonjour, comment vas-tu Hello, how are you Hello, how are you Et comment dire je vais bien I'm fine. I'm fine, thank you. Hello, how are you? I'm fine, thank you. That was today's English phrase. How are you? Merci Jackie pour ces éclaircissements, chers auditeurs et auditrices. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Hausa, Zarma, Tamashek ou Fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 89 à 64. Salamatu, il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. akan ka tsaro a cikin ƙasa da kuma shirye-shirye waɗanda sun ka shafi wayar da kai a cikin ƙasa a cikin wannan yanayi da ake ina eh, roƙon al'umma duk gaba ɗaya na Nijar su ba da tasu gudunmuwa a kan a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasanmu Nijar gaba ɗaya. Saboda uwa ɗaya uba ɗaya ake Nijar duka gaba ɗaya. Muna gaida dukkan mutanen studio Kalangu game da wannan ƙoƙari da suke yi. muna yaba musu kuma muna jinjina musu muna gaida su sosai sosai amin sai ku naima birnin gaure wallahi su gire rai bobo goka kanai sai zama bon fere na go kande jama'a sai bon ferai na go kande labi zai sai bon fere na ga kande bora kusi zan warka yansi ga studio kalango hangar isi bai sigirai si si bai hankan gote yin dunyara sigirai kul ga kanai si za information ai za ayo fakara ya kiga kande ne kurra fakara ya kiga kande na me amira ai ga faham dai da ki tai bon haraka da izu wai borai zai kiga tarka dangangi ya ta kiga tarka dai hi ya yo ga yandi izo wai bore za kai kai ga ki gendi kai yamman to gir waran ki hin kasi ga koi be ne ke yin wo kai ga te iga dai kalangu im so bai ga konda da gina ipi mo koi ni me kan de sigir bo baya kan ga bore no bon ferai je m'appelle euh, monsieur Soumane Sido enseignant à la retraite à Berni Gauré président de Coges j'ai vraiment apprécié Kalango. J'ai dit c'est la seule radio qui nous donne vraiment des informations fiables sur le Niger, surtout sur la masse du pays. Je souhaite que Kalango ait le courage de continuer ainsi. Je vous encourage vraiment d'aller dans le même sens, de donner les informations fiables du pays. Souvent, dans les soirées en tout cas, ce que je trouve, je les écoute, surtout en german, en français, et le plus souvent vos fada fada là où vous invitez les jeunes là. Et même pour les femmes aussi, j'écoute ces, ces émissions là. Bon, la suggestion que j'ai à faire, c'est quand vous, quand vous faites les débats, je vois des journalistes comme s'ils essaient de cadrer l'individu, quoi. Quand l'individu veut sortir, vous, vous le ramenez. Nous, nous voulons que ces individus-là que vous invitez, c'est qu'ils ont l'idée de dire au public de ne pas les empêcher de le dire. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Salamatou Kadri et de Mariam Adey. Le rendez-vous est pris pour demain. La technique est assurée par, par Amina Hassan et Adam Dawaki assuré l'édition. Excellente journée à vous. Bye bye.